Bonsoir à tous, bienvenue. Les questions qui vous tiennent à cœur, le forum du studio Kalango en parle chaque jour du lundi au vendredi. Le forum du studio Kalango est un espace d'échange d'idées. Sachez que vous nous suivez à travers 20 radios partenaires disséminées dans les 8 régions du Niger. C'est avec une immense joie que je vous retrouve fidèles auditeurs et merci de préférer les programmes du studio Kalango. Être avec vous au cœur de vos préoccupations, c'est notre objectif. Restez avec nous pendant 45 minutes d'horloge. Il est 18h15, c'est l'heure du forum de studio Kalangu. Les prisons nigériennes sont surpeuplées, c'est de notoriété publique. Il y a davantage de prévenus que de condamnés alors que cela devrait être l'inverse. Avec la mise en détention de plus d'un milliers de présumés terroristes de Boko Haram dans les prisons nigériennes, la situation s'est empirée. Construite pour accueillir 350 détenus, la prison de la capitale nigérienne en contient aujourd'hui trois ou quatre fois plus de prisonniers que prévu, selon plusieurs sources. Cette situation nous amène à nous interroger sur les conditions de vie des prisonniers au Niger, particulièrement à Niamey. Le débat de ce soir tournera autour de ce sujet, les conditions de vie en milieu carcéral dont le déroulé est subdivisé en trois parties. Dans la première partie, nous tenterons de faire un état des lieux avec nos invités qui nous diront quelles sont les capacités de nos prisons, les détenus ont-ils des droits, lesquels, comment vivent-ils en milieu carcéral avant et après leur comparution. Ensuite, nous parlerons des mesures qui existent pour leur réinsertion dans la société comment cela se fait concrètement. Dans la dernière partie, nous parlerons des perspectives, notamment penser à une rééducation des prisonniers. Pour ce débat, je suis en compagnie de Sirfi Abdoulaye. Il est directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. Moukaila Yaye, avocat bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger et de Michael Zodi, acteur de la société civile et témoin car il a fait un séjour le mois dernier à la prison de Niamey. Il était poursuivi pour concussion, c'est-à-dire qu'il a perçu plusieurs mois de salaire sans travailler, mais le tribunal l'a relaxé pour fait non prouvé, donc Zodi a été innocenté. Ils sont donc trois ce soir dans ce studio. Monsieur Munkaila Yaye, nous allons permettre à nos auditeurs euh, de savoir c'est quoi un bâtonnier. Un bâtonnier, c'est le président de l'ordre des avocats. Il est élu euh, désormais depuis 2014 avec le règlement de l'IEMOA qui organise la profession dans l'espace IEMOA. Il est élu pour trois ans et c'est lui qui représente l'ordre dans tous les actes de la vie civile et professionnelle. C'est quoi le rôle d'un avocat Le rôle de l'avocat, c'est de conseiller assister, euh, postuler, c'est-à-dire défendre devant toutes les juridictions disciplinaires, administratives, pénales et civiles ou commerciales, évidemment. Monsieur Sirfi Abdoulaye, vous êtes directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice. C'est quoi la direction de l'administration pénitentiaire La direction de l'administration pénitentiaire est l'une des trois directions de la direction générale de l'administration, de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion qui regroupe trois directions, c'est-à-dire la DAP, la direction de l'administration pénitentiaire, dont je suis le directeur. Il y a le directeur de la sécurité pénitentiaire et il y a le directeur de la réinsertion. Cette réorganisation du ministère remonte à 2011, c'est-à-dire par euh, la création de ces trois directions. C'est une impulsion qui est donnée pour pouvoir prendre en charge la question des prisons dans toute sa globalité, c'est-à-dire l'aspect infrastructure et conditions de vie des détenus qui ressort de l'administration pénitentiaire pure et aussi la sécurité pénitentiaire qui est exercée par un commandant de la garde nationale et la réinsertion qui est la phase ultime au fait de l'incarcération parce que la finalité de l'incarcération c'est pouvoir insérer les détenus au lieu de se cantonner à l'aspect purement euh, coercitif de la prison. donc c'est une dimension que nous avons intégrée depuis 2011. Michael Zodi, acteur de la société civile aussi, témoin. Euh, je préfère le terme défenseur des droits humains euh, parce que mon organisation c'est une structure de défense des droits humains. Donc aussi témoin parce que j'ai vécu un peu de temps à la prison, donc euh, euh, ce n'était pas une participation protocolaire, mais juste j'étais parti en tant que détenu et j'ai vécu avec ces détenus-là. Je connais leurs conditions de détention au sein de la prison civile de Niamey. C'est même pas une prison civile, mais une maison d'arrêt parce qu'il y a des militaires parmi les détenus. Vraiment, ça me fait un plus de connaître à l'intérieur de la prison. Au Niger, est-ce que euh, les détenus ont réellement des droits, lesquels Le bâtonnier les détenus ont bien des droits. Ils ont des droits comme vous et moi. Ce sont des êtres humains. Et à ce titre, il n'y a même pas de limitation des droits dont ils disposent, aussi bien dans la vie de tous les jours que dans la prison. Les droits que les prisonniers ont, maintenant, il faut distinguer ceux qui sont en détention préventive, ceux qui sont incarcérés suite à une décision de condamnation. Alors, pour quelqu'un qui est interpellé parce qu'il faut que je commence par vous dire dans quelles conditions on entre en prison. Allez-y. Parce que le principe, c'est la liberté, madame. C'est prescrit par tous nos textes, aussi bien internes qu'internationaux. Euh, C'est-à-dire que la prison est l'exception. S'il est possible d'éviter la prison à quelqu'un, il faut l'éviter. Le principe, je dis, prescrit dans notre code de, procédure pénale. La règle, c'est la liberté. Alors, quand le juge ou l'officier ou l'agent de police judiciaire décide d'aliéner cette liberté, à savoir garder à vue, euh, envoyer en prison, c'est il y a des dispositions à prendre. Ces dispositions à prendre, c'est qu'il faut que ce soit même dans l'intérêt de la personne. Je veux vous les citer. La détention est prescrite. 1. Pour conserver les preuves ou les indices matériels. 2. Empêcher une pression sur les témoins ou sur les victimes. 3. Éviter une concertation frauduleuse entre la personne mise en cause et ses complices éventuels. 4. Protéger la, le mise en cause ou mettre fin à l'infraction et ou éviter son renouvellement. Ou garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, c'est-à-dire éviter sa fuite. Et enfin, préserver l'ordre public. Motif, ce motif, ce dernier motif n'est valable qu'en matière criminelle. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si un agent de police judiciaire un officier de police judiciaire ou un magistrat décide de priver quelqu'un de sa liberté, il le faut et il faut absolument que ce soit seulement pour ces raisons-là, pour ces raisons-là. Mais une fois que là, on a décidé de mettre la personne, la priver de cette liberté-là, la personne ne perd pas ses droits. Il a le droit d'avoir la première chose qu'on va lui notifier, vous avez le droit de votre interpellation d'avoir un avocat. Là, madame, je reviens à la question que vous m'avez posée à l'entame de votre euh, émission. Le rôle d'un avocat. Le, rôle de l'avocat, c'est comme au Niger, l'avocat est perçu comme cette personne qui est là seulement pour venir euh, triturer la vérité. Notre rôle, c'est un droit fondamental, prescrit également dans toutes les constitutions du monde, dans toutes les déclarations des droits humains c'est qu'il faut avoir accès à un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'en avoir, l'État doit vous prendre un avocat. Parce que dès lors que votre liberté est aliénée, c'est pas l'avocat que vous respirez, c'est pas l'avocat que vous parlez, c'est pas l'avocat que vous exprimez les autres libertés qui n'ont pas été aliénées, à savoir la liberté d'aller et de venir que la prison vous empêche d'avoir. Le deuxième droit, il faut immédiatement après que la personne ait une notification qu'il a droit à un avocat, il faut qu'il ait le droit de pouvoir euh, avoir une procédure régulière, une procédure régulière qui lui garantit tous les autres droits, c'est-à-dire à voir sa famille, à manger, à, à, la santé, à être traité avec humanité et dignité, sans discrimination, à avoir droit à son culte, c'est-à-dire s'il doit prier, il veut prier, il faut qu'on lui permette de prier, il veut exercer son culte, il doit avoir à la réinsertion sociale, ça on y reviendra. Donc voilà les droits qui sans limitation, ce n'est pas exhaustif, madame, parce que tous les autres droits vont découler de cette situation-là. Est-ce que euh, tous ces droits euh, sont respectés, Monsieur Sirfi Abdoulaye? Je tiens à apporter une précision par rapport euh, à la direction faite par Michael Jody. L'établissement pénitentiaire de Niamey n'est pas une prison civile, c'est une prison où se trouvent des militaires et des civils. Bon, la dénomination des prisons civiles est dépassée. C'est-à-dire, on parle plutôt d'établissement pénitentiaire. Donc, euh, pour généraliser, se conformer aux textes internationaux auxquels le Niger a souscrit et que nous essayons de mettre en œuvre autant que possible. Et à l'état actuel, certes, il y a un tribunal militaire et un code de justice militaire il y a les maisons d'arrêt qui sont au nombre de 34. Il y a une maison centrale de haute sécurité qui est à Koutoukale. Il y a deux centres de réinsertion professionnelle qui sont ceux de Kolo et de Daikena et un centre de réinsertion des jeunes en conflit avec la loi qui est celui de Dako. Globalement au Niger, nous avons 38 établissements pénitentiaires classé de la manière dont je viens d'évoquer, c'est-à-dire de par la loi. La loi n'a pas créé des établissements pénitentiaires spéciaux ou militaires. Donc, c'est les établissements euh, de droit commun qui les reçoivent jusqu'à la création d'établissements pénitentiaires spécialisés. Donc, c'est là la pression que je tiens à, apporter. Donc, par rapport au droit, comme vient de le dire Monsieur le bâtonnier, c'est-à-dire, de par les tests auquel nous, le Niger a souscrit, notamment les règles minima des Nations Unies en matière de traitement des détenus de 1957, devenues en 2015 règles Nelson Mandela pour le traitement des détenus et les lois internes tels que la Constitution. Au Niger, les détenus ont les mêmes droits que ceux qui sont libres. Ils ont les mêmes droits, sauf le droit d'aller et venir. Et l'État s'efforce autant que faire possible de les faire respecter. Ce sont des droits qui sont consacrés par la loi. Si tant que la personne estime que ses droits ont été violés, elle a les voies de recours pour pouvoir dénoncer et interpeller s'il y a lieu l'administration. Michael Zodi, vous, vous avez fait un séjour euh, dans cette maison. Dites-nous si ces droits sont respectés, euh, je ne suis pas un homme de droit, mais d'abord, je vais vous faire euh, un truc euh, narratif par rapport à mon interpellation. À 6 heures du matin, 12 policiers se sont présentés devant moi, de chez moi, pour me réveiller en sursaut, d'abord. Ils m'ont montré leur badge, ils sont de la police judiciaire, sans aucun mandat, sans rien. Et je ne pense pas si, là aussi, <laughs> on peut dire que mon droit a été respecté, parce qu'on ne m'a pas présenté un mandat. Ils m'ont pris dans leur véhicule pour m'amener à la police judiciaire. Dans la pratique, je ne pense pas si les droits sont respectés parce que le fait même de, prier autre là, il faut demander la permission, il faut. mais les, conditions dans lesquelles même vous allez prier ne sont pas réunies. Donc c'est pour vous dire que même au moment de nourriture, la, nourriture et tout ça là, pour même les conditions de santé, d'hygiène, il n'y en a pas effectivement dans les cellules au niveau même de la PJ avant d'aller au niveau de la prison. À la PJ, vous n'avez pas droit à la visite. Il faudrait un temps pour permettre à ce que l'avocat puisse avoir accès à vous et d'ailleurs même de façon un peu limitée parce que les policiers sont là, ils disent bon ça va, ça va, ça va. Donc euh, vous n'avez même pas l'esprit tranquille pour pouvoir discuter très bien avec votre avocat. Après on vous amène euh, chez le procureur qui va vous dire euh, sans prendre connaissance du dossier, je vais vous amener à mon hôtel où l'eau la bouffe, tout est gratuit. On, vous transporte, on vous trimballe pour vous amener en prison. D'abord, les conditions de, transport des prisonniers, on vous entasse comme des sardines euh, dans le véhicule, qui, un véhicule qui était conçu pour 50 euh, places. Euh, vous allez trouver 120, 130, deux fois, ça, atteint même 200 personnes parce que c'est dans les couloirs que vous allez vous... déjà, il y a les prémices de la prison. <laughs> y et la procédure tout à l'heure dont parlait Michael avait a-t-elle été respectée en réalité Je ne vais pas m'aventurer à dire qu'il y a une procédure respectée ou pas respectée. Je vais vous dire, il y a ce que dit la loi, ce qu'on fait dans la pratique. Le directeur venait tout à l'heure de vous énumérer les droits. Moi, je dis même le premier droit après la privation de la liberté, qui consistait à notifier à la personne son droit d'avoir un avocat et de pouvoir s'entretenir avec son avocat, ça n'est pas respecté. D'abord, la loi nigérienne déjà de 2004, qui organise la profession d'avocat au Niger, disait que toute personne interpellée a droit à un avocat à la 24e heure. Cette disposition a été abrogée par l'article 5 du règlement numéro 5 du au mois de novembre 2014, qui dit, je vous le cite intégralement, les avocats assistent leurs clients dès leur interpellation. Or, M. Zodi vient de dire qu'il y a un temps et les conditions ne sont pas réunies, je vais y revenir. Je continue l'article. Durant l'enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie ou devant le parking, à ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l'avocat. Ça veut dire quoi, madame Ça veut dire que si la personne est interpellée, il n'y a pas de formalisme. Immédiatement, on lui dit, vous avez le droit, quand le policier vous interpelle, il doit vous dire, vous avez le droit d'avoir un avocat et vous permettre d'accéder à votre avocat mais ça ne se passe pas de la pratique. Première chose, on interpelle la personne dans des conditions que nous, on ne finira jamais de nous décrire. Lui, en tout cas, ne vous dira jamais que j'ai été réveillé de mon sommeil, on ne m'a pas permis de m'habiller, on m'a dit monter, et puis on est parti. Je veux le téléphone pour appeler ou informer mon avocat, on ne lui permet pas de cela. Au mépris de la loi. Mais pire, c'est que quand on arrive à la police, même nous les avocats, quand on se présente, on nous juge on mépris de cette disposition que je venais de lire, de présenter un écrit pour dire qu'on est constitué pour la personne. La loi dit le contraire. Quand on se présente, on veut s'entretenir avec la personne, on dit maître, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que nous n'avons même pas commencé à interpeller votre client. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne lui a même pas notifié les chefs de prévention pour lesquels il a été interpellé. Deuxièmement, si même vous tombez sur un agent ou un officier de police judiciaire assez indulgent qui accepte que vous vous entreteniez avec votre client, vous le faites séance tenante et debout et publiquement devant tout le monde. C'est une violation flagrante de la loi également parce que la, la personne a le droit de se confier à son avocat dans la sérénité, dans, en toute liberté, Or, la présence d'oreilles discrètes ou même de membres de sa famille, s'il veut simplement s'entretenir avec son avocat, qui est soumis à d'autres obligations, c'est-à-dire l'obligation du secret professionnel qui lui permet de prendre, d'écouter les propos de son client et le conseiller valablement pour les infractions qui lui ont été notifiées. Sifi Abdoulaye. Michael vient d'affirmer les conditions de transport des détenus vers la maison d'arrêt de Niamey. a une période assez récente, mais peut en témoigner, ces détenus étaient transportés dans une benne berlier de couleur jaune, connue notoirement, découverte. Donc euh, nous avons fait en 2010 des efforts pour pouvoir avoir ces véhicules. Vous ne savez pas dans quelles conditions. Et l'État fait aussi des efforts. Actuellement, et dans le cadre du PAGET, il y a au moins une dizaine de minibus qui ont été affectés à des maisons d'arrêt, dont Niami, qui a un minibus, et plus euh, une ambulance pour les transports des détenus. Donc, vous voyez, donc, c'est pour montrer que l'État fait de son mieux pour pouvoir respecter les droits auxquels il a librement souscrit à l'échelon international et tout comme dans l'ordre juridique interne. Pour, la liberté du culte, elle est garantie, même en prison, à preuve même pour les autres cultes tels que les chrétiens, à l'occasion des fêtes, nous les autorisons à aller, c'est-à-dire animer des cultes, normalement des messes dans les, les établissements pénitentiaires, dès qu'ils en font la demande. Nous ne faisons aucune restriction au niveau de l'administration pénitentiaire pour les visites des, ministères des cultes. Si à l'interne, il y a des règles euh, spéciales qui sont appliquées, donc ça, c'est du ressort euh, du premier responsable. Si la fermeture des cellules ou des chambres est prévues à 19h. Donc, il est très peu probable qu'on puisse laisser les détenus dans la cour, ça doit pour faire la prière collective. Donc, euh, ce sont des contraintes. Même en islam, il y a certaines contraintes qu'il faut accepter. Donc, au fait, c'est pas une euh, prohibition. C'est pour tenir compte de certaines règles qui régissent la vie dans ces établissements. Mais nous n'interdisons personne de pratiquer librement son culte. Revenons au droit à la santé. Euh, Michael Zodi. Euh. Maintenant, par rapport à la santé, il faut faire un tour au parquet. Juste au parquet, quand on amène le détenu, il y a un endroit où on garde le détenu. Je vous assure, là où les sanitaires et les hommes cohabitent en nombre, vous ne pouvez pas parler de conditions sanitaires parce qu'il y a toutes sortes de maladies. J'ai suivi effectivement à la télé euh, la visite du secrétaire général adjoint et le procureur euh, au niveau de la maison d'arrêt de Niamey. Et je vous assure, l'infirmerie dont il parlait, l'infirmerie, d'abord, il y a les gardes, les familles des gardes, la population environnante et aussi les détenus. Et il y a 1400, quand j'étais là-bas, il y avait 1469 détenus qui étaient là-bas. Donc, le petit centre ne peut pas contenir effectivement les malades. Et dans l'infirmerie, il y a trois lits pour 1409 détenus. Et la population environnante et aussi les familles des gardes et les gardes. Tu tombes malade, il n'y a pas une prise en charge qui est là et vous êtes obligé de cohabiter parce qu'il n'y a, a, pas de la place. Et par rapport au, au s'il vous plaît, euh, monsieur le directeur, c'est vrai, vous avez fait un tour à l'intérieur de la prison. Euh, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de fermer ou bien de ne pas fermer pour prier. Et mais il n'y a même pas de l'espace pour prier parce que la prison était pleine tellement peine, même pour rester debout, c'est un problème parce que les gens sont entassés, les gens sont serrés. Donc il n'y a même pas de l'espace pour faire. Euh, ces, conditions-là ne sont pas réunies. Il y a une mosquée, et effectivement, il y, a, il, y a, des chrétiens, et tout ça là. Mais dans la mosquée, les gens l'utilisent pour dormir. Même les égouts sont à exploiter pour, pour se reposer. Je dis bien, les gens dorment dans des égouts au niveau de la prison. Moi, j'ai vécu ça. Je n'étais pas parti, j'ai dit, de façon protocolaire. Non, j'ai vécu en tant que détenu et j'ai vu ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est la réalité est toute autre chose. Donc, il faudrait plus parler. Dès que vous franchissez la porte là, il faut plus parler des droits. Vous n'avez plus droit à rien, à rien. Et il faut se nourrir d'abord pour, se tenir debout. Je vous dis, les gaillards s'écroulent par l'intermédiaire de, comment on appelle ça, CICR. On les amène. Vous savez, dans la zone de région des maladies, il y a ce qu'on appelle les malnutries. Donc il y a un produit qu'on donne euh, qui s'appelle Prompi. C'est ce qu'on donnait aux gaillards pour qu'ils puissent s'élever. On va vous redonner la parole, euh, Monsieur Sirfi Abdoulaye de la direction de l'administration pénitentiaire. Euh, euh, vous vouliez ajouter euh, quelque chose par rapport à... Je voudrais même euh, répondre, par rapport aux affirmations de Michael. On reconnaît que la maison d'arrêt de Niamey, c'est-à-dire construite en 1947 pour 350 places, et ce matin à 1215, c'est assez surpeuplé. Des efforts sont faits. Parce qu'il dit que l'infirmerie, c'est trois lits parents des... Euh, les, pas suffisant. Les familles des gardes et autres. C'est un CSI. Effectivement, ils ont droit à venir se faire consulter. Mais principalement, ce sont les détenus qui sont prioritaires. Et c'est au Niger seulement que les détenus sont pris en charge à 100% par l'État. Chaque matin et chaque jour, nous signons des prises en charge. Quand un détenu tombe malade. l'administration pénitentiaire donne des instructions. Dès que quelqu'un se présente d'un mot le matin, c'est-à-dire c'est de référer à qui de toi. et l'infirmier le consulte. S'il estime que ce n'est pas de son ressort, c'est de pouvoir les référer. Et cette référence se fait à notre niveau où nous signons des prises en charge à 100% dans les, euh, dans les établissements hospitaliers de ces pays. Aussi, pour la promiscuité, nous reconnaissons que cette une maison construite pour 350 qui abrite 1200. C'est un problème structurel et mettre est là pour pouvoir le confirmer. C'est-à-dire il y a un processus qu'on appelle le processus d'enfermement et de libération. C'est une chaîne. Il est plus facile, comme il l'a expliqué, de pouvoir incarcérer. Et c'est structurel et dans tous les pays du monde, ce problème. je vais enfoncer le clou. Nous, les avocats, souvent, euh, nous disons aux juges quand ils mettent nos clients sous mandat de dépôt, comme pour parler dans le jargon judiciaire, leur disant, écoutez, les prisons sont déjà pleines. La loi dit que la liberté, c'est la règle et la prison, l'exception. Il est inutile d'envoyer quelqu'un en prison alors même que la prison est déjà pleine, alors même que cette personne s'engage à se présenter et à venir répondre à vos convocations. Alors, madame, le problème qui est là quand monsieur le directeur dit oui, l'État euh, fait des efforts. L'État sait que la prison a été construite depuis tel nombre d'années et que parce que euh, nous n'avons pas les moyens de pouvoir tout de suite pallier ces difficultés-là, je dis non, l'État ne peut pas se réfugier derrière une quelconque situation pour justifier comment on peut mettre. Maître, est-ce qu'il y a davantage de prévenus que de condamnés dans les prisons Le directeur vient de le confirmer, on systématise la mise en détention on le systématise, c'est la règle. On a inversé la règle, je vous ai dit, à savoir que systématiquement, quand quelqu'un est interpellé, on, ne cherche même pas à savoir si cette personne-là, on peut lui éviter la prison, on peut lui dire, bon, va à la maison, reviens, quand j'ai besoin de toi, donne-nous les garanties. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, il ne peut pas s'échapper, c'est pas possible. Alors, puisque l'État systématise ou les juges systématisent la, la mise en détention, ça veut dire que les prisons ne peuvent être que pleines et l'autre problème, c'est qu'on ne se précipite pas pour aller au jugement. Ce surfi Abdoulaye va donc réagir. Il réagir. Au fait, maître, vous dites enfoncer le clou. Vous le savez, c'est pas au Niger même, c'est à l'échelle mondiale que le problème se pose. Parce que c'est le processus d'enfermement et de retour à la vie libre, les pervilles. C'est-à-dire, c'est reconnu de manière euh, internationalement dans le cadre pénitentiaire. Il est plus facile d'aller en prison que d'en sortir. Parce que, au fait, pour aller en prison, tout au plus, c'est la garde à vue, peut-être le passage devant un juge. Au bout de deux à trois semaines, euh, tout au plus euh, quatre jours dans la semaine, la personne peut se retrouver en prison. Vous, vous, le, reconnaissez autant que moi. Mais le temps que la personne soit jugée, que la personne soit euh, libérée, plus sa peine sorte, ça peut prendre des mois. C'est un processus. Je ne voulais pas citer un pays développé. Il y a moins de trois ou quatre semaines, les gardiens de prison se plaignaient de la surpopulation dans leur prison. En fait, nous, nous faisons des efforts pour pouvoir éviter l'engorgement de nos prisons. En quoi faisant c'est-à-dire, nous avons des, transferts que nous opérons vers des maisons d'arrêt moins, moins, surchargées. Et dernièrement, il y a une loi qui avait été portée par le ministre de la Justice, Garde des Sceaux, qui le travail, le, sa loi instituant le travail d'intérêt général, qui permet d'éviter la prison pour certains nombres de délits à la demande de la personne. Parce que, qu'est-ce qu'on remarque? Ceux qui vont en prison, ce sont ceux qui sont euh, euh, poursuivis pour des délits mineurs, des petits vols et autres. C'est ça qu'on envoie à euh, ces personnes qui entrent en Et la plupart de ces personnes récidivent. Même si la personne sort, c'est-à-dire elle a plus de tendance à retourner en prison. Pour en savoir donc, plus sur ces conditions de vie des détenus, nous avons écouté Kani Abdoulaye, coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie, qui nous fait le point du dernier rapport sur la situation de droit en milieu carcéral publié en décembre 2015. Dans ce rapport, nous avons effectivement remarqué cette surpopulation au niveau des maisons d'arrêt, la vesticité de certaines maisons d'arrêt et le droit surtout à l'alimentation des détenus qui était effectivement déplorable. Vous allez remarquer que c'est des prévisions qu'on fait journalier pour un détenu. Et vous allez remarquer que c'est insuffisant parce que c'est des prévisions qui dataient de plusieurs années Puisque lorsque une maison d'arrêt est construite pour recevoir 50, généralement, les estimations qui sont faites, c'est pour 50. Or, vous allez remarquer deux fois le double. Il y a également les conditions d'hygiène qui sont déplorables. Il y a les conditions aussi de santé. Vous allez retrouver dans certaines maisons d'arrêt où, des fois, il n'y a même pas d'ambulance pour les évacuations euh, sanitaires. Mais depuis la sortie de ce rapport, un certain nombre de dispositions ont été prises dans beaucoup de maisons d'arrêt où nous avons recommandé qu'il y ait des parloirs. Les parloirs, c'est là où, lorsque les visiteurs viennent, qu'ils s'asseyent pour effectivement discuter avec euh, les détenus. Il y a également les conditions de vie, surtout des enfants en conflit avec la loi, effectivement, qui ne doivent pas être dans les mêmes compartiments que les adultes dans certaines maisons d'arrêt en son temps qu'on a trouvé qu'il n'y ait même pas d'ambulance. Pour moi, c'est extrêmement grave. Kani Abdoulaye, coordinateur du collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie par rapport donc à ces dispositions prises euh, pour euh, l'amélioration des conditions de vie dans, les prisons. Directeur à euh, Abdoulaye, quelles sont ces dispositions qui ont été prises Pour rebondir sur l'intervention de Abdoulaye Kani, au fait, à, au niveau de l'administration pénitentiaire, nous n'avons rien à cacher. Nos prisons sont ouvertes à la visite, c'est-à-dire des parents des détenus, bon du moins ils ont euh, droit à la visite, des organismes de défense, des organisations de défense des droits de l'homme, ça nous les autorisons à aller visiter. Nous reconnaissons que de par le système que j'avais et, comment dirais-je évoqué tantôt, et c'est à l'échelle euh, quasi planétaire, c'est-à-dire la prison, euh, le surpeuplement s'explique par c'est-à-dire le processus dont j'avais tantôt parlé. mais je voudrais rappeler que, de par les tests en vigueur, les détenus ont droit à deux restrictions alimentaires par jour. Et dernièrement, le 31 mars, euh, le président de la République a promulgué une loi portant au euh, régime pénitentiaire au Niger qui porte, dont l'article 40, porte cette ration à trois rations par jour et nous allons nous efforcer avec euh, le ministère des Finances pour rendre cela effectif en faisant en sorte que cela soit une réalité. Je vous dis rien que pour le deuxième trimestre, c'est-à-dire euh, budgétaire de 2017, le budget alloué au ministère de la Justice ou sur les salaires qui dépendent du ministère des Finances, 76,56% est consacré, c'est-à-dire à l'entretien des détenus. Vous voyez ce que ça fait ça doit pousser pour qui est du pourcentage. Michael Zodi, allez Quand il me parle de ces budgets-là, ça veut dire que ça n'arrive pas aux détenus. Il y a quelque part où euh, ça cale. Parce que je vous dis, moi j'ai vécu là-bas, et je vous dis, c'est un repas par jour. Et quel genre de repas c'est une bouillie de sorgho qu'on prépare et, on met au froid pour que ça devienne un peu euh, euh, solide, pour mettre un peu du piment pour manger. Et d'ailleurs même, je vous dis, je vous dis, la distribution s'est fait comment C'est à peine 600 détenus arrivent à trouver, à avoir euh, ces repas-là. D'abord, ce sont les détenus qui gèrent ça. La cuisine est gérée par les détenus. C'est les détenus, ce sont les détenus qui distribuent le plat. Et pour la distribution, on connaît même les détenus. Ceux qui sont là en ligne, ils font une ligne pour prendre cette bouillie-là et aller manger. Qui les cogne euh, les, détenus. C'était pas les gardes. Les gardes sont des ils ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur de la prison. À plus forte raison, rendre compte au directeur du pénitencier. Donc, je dis bien, on distribue. Arrivé à ton niveau, si tu n'arrives pas à trouver euh, ces deux marmites, vous avez vu à la télé, ces deux marmites en place, et on prépare cette bouillie-là. Et arrivé à ton niveau, si tu n'arrives pas à trouver, tu vas partir dormir le ventre vide. Et demain, tu espères venir à temps pour faire la queue et trouver à manger. Et je vous ai dit, je vous ai dit, la prise en charge, même sanitaire dont il parlait là, je vous assure, des maladies qui ont disparu depuis 1700, comme la gale, sont à la prison. La façon, ça favorise ce qu'on appelle l'homosexualité. C'est en prison. Il y a ça, on a découvert effectivement qu'il y a l'homosexualité au niveau de la, au niveau des prisons, parce que tellement les hommes sont, sont, serrés, et ils dorment les uns sur les autres y Yaye, avocat, comment les faire respecter Madame, pour les faire respecter, il faut simplement appliquer la loi. La loi, elle est faite pour être appliquée. Ce, n'est pas un vœu pieux, comme Monsieur le directeur semblait nous l'expliquer en disant l'État fait des efforts et il nous renvoyait aussi à la situation des autres pays. Chaque pays a sa situation. Et chaque pays doit se donner les moyens de pouvoir apporter les solutions aux problèmes qui se posent dans ces prisons-là. Moi, pour ma part, je pense que L'administration pénitentiaire doit pouvoir faire un contrôle général des établissements et surtout intensifier la formation à l'endroit du corps spécialisé. Nous allons continuer avec les conséquences puisque Michael Zodi vient euh, de commencer. Vous savez, la prison est structurée. Il y a ce qu'on appelle la grande chambre. La grande chambre était conçue pour 80 personnes. Mais quand j'ai quitté là-bas, il y a 375 détenus dans cette grande chambre. Et vous savez, d'abord, il faudrait que les gens comprennent. Quand ils disaient que c'est une prison qui a été construite en, en 1947, c'était à l'époque coloniale. C'était une prison construite pour les détenus indigènes. Et vous vous rappelez de, de l'île de Gorée. Vous savez comment les Blancs classaient les gens. Et c'est pour ça que euh, euh, euh, le chiffre 300, 350 là est erroné par rapport à la situation actuelle parce que je pense même que ça ne respectait pas les droits humains quand on a construit cette prison. -là. Donc, c'est pour vous dire que dans cette grande chambre là, il y a 375 personnes. Il y a des égouts. Vous savez qu'il n'y a pas de toilettes dans, les, dans, dans, dans les cellules. Donc, c'est des tonneaux, c'est des bouts de tonneaux qu'on amène. Donc, c'est à l'air libre. Donc, il y a des couloirs. Donc, c'est dans ces couloirs là. C'est ce que j'appelle les égouts. Dans ce couloir-là, que les gens s'entassent pour dormir parce que sur les terrasses, il n'y a pas de la place. Donc, c'est pour vous dire que ça va favoriser la prolifération des, maladies que nous avons perdu de vie de 1700, comme la gale. Les gens cohabitent avec ces malades. Il y a ce qu'on appelle une euh, chambre des malades. C'est une chambre où, d'ailleurs même pire, il y a de, la xénophobie là-bas. Donc, il y a des tuberculés, il y a des sidins, il y a toutes sortes de maladies. Ils cohabitent là-bas, mais, mais la porte est ouverte. Ils sortent pour venir vers les détenus non malades, tout ça, pour chercher à manger parce qu'ils n'en ont pas. Ils n'ont pas à manger. Et les soins même tant que, euh, tels que décrit par euh, le directeur, je pense même que cette prise en charge à 100% là n'est pas n'est pas réelle parce que on donne, on distribue des parastamol. Toi, tu, as la tuberculose, c'est vrai, la prise en charge est, gratuite. Mais pour sortir, pour aller prendre cette prise en charge là, c'est des problèmes. Maintenant, tu, as un peu de fièvre, on te donne euh, des parastamol au moins au, lieu de diagnostiquer et savoir réellement tu souffres de quoi. Mais quand on va découvrir que, c'est une maladie qui qui demande nécessairement des produits qui coûtent cher, ils ne, prennent pas ça en charge. Monsieur Sirfi Abdoulaye, directeur de l'administration pénitentiaire, voilà toutes ces révélations. Mm. Mais ces révélations ne nous attendent pas de Michael, parce qu'au fait, euh, dans ses premières déclarations, il assimilait, c'est-à-dire la, maison d'arrêt d'Agnamé à un camp de concentration, avec tout ce que cela, ça renvoie à l'univers, euh, c'est-à-dire nazi avec les crimes, alors que nous sommes dans un État démocratique où l'État s'efforce, c'est-à-dire de faire respecter les droits des citoyens de la meilleure manière possible. C'est un je constat erroné, c'est pas, c'est pas vérifié. C'est exagéré. Moi, j'ai dit, c'est tout à fait exagéré où dans une prison, les gens ne mangent qu'une seule fois par jour et une bouillie. Donc, donc, au fait, aussi, je voudrais rebondir pour dire que mettre euh, Maître aussi faisait état de vœux puits euh, euh, d'après nous quand, nous intervenons. L'État fait ses efforts et ses efforts sont concrets. Euh, nous sommes en train de vouloir construire une maison d'arrêt de 1500 places, ce qui est assez, comment dire un projet qui est assez avancé. Et pour la fourniture des médicaments. Rien que cette année, toutes les prisons, à un certain moment, ont reçu des médicaments. Et pour la prise en charge, vous avez dernièrement, il y a un dialysé qui subit deux séances par semaine et c'est prise en charge. Quand la personne est malade en prison, il y a des infirmiers, ça de, la personne se réfère à ses infirmiers. Si ça dépasse sa compétence, nous, nous réfère ces personnes. Et de l'intérieur du pays, la plupart des malades viennent de l'intérieur du pays sont référés à la prison de Niamey et ils sont pris en charge. Chaque matin que Dieu fait, nous signons des prises en charge à 100%. Et aussi Maïkoulou, c'est-à-dire assez alarmiste parce que dans une de déclarations, il faisait état de trois morts, c'est-à-dire par semaine. D'après cette évaluation, ça fait dix détenus, dix mois euh, morts par, par, semaine. C'est pas vérifié C'est euh, euh, pas vrai C'est pas vrai Pas du tout vrai. Alors maintenant, Michael Zoudi... Je veux dire que j'ai vécu là-bas 14 jours. Et pendant ces 14 jours-là, cinq cadavres ont défilé devant moi. Faites-moi euh, faites, moi le tour. Il y a un détenu qui s'appelle ambulance. Pourquoi on le nomme ambulance Dès qu'il y a mort, c'est lui qui transportait sans, sans, condition, j'ai dit euh, hygiénique, il transporte les cadavres sur ses, épaules pour amener dehors. Et avec lui, on peut vérifier. Moi, j'ai fait 14 jours et il y a eu 5 décès au moment de, mon séjour. Alors, Tirfi Abdoulaye répond 5 décès pendant votre présence de deux semaines, ça ne fait pas un détenu. Michael dis, quand M. Sylvie a la parole, veillez l'écouter s'il vous plaît. Nous avons nos chiffres ça nous, nous les avons communiqués, ça eh, à même à l'OCDH, vous étiez dans une réunion des ONG, vous avez rapporté des choses assez graves pour, pour euh, un acteur de la société civile. Ça au fait, dites-vous que c'est la responsabilité de l'État et de toutes, tous les situations des citoyens pour que les prisons soient meilleures et reconnaître les efforts que l'État fait. Non, ça la prison, c'est une maison pour tout le monde. Tout le monde est susceptible d'y aller, tout comme euh, y a jeune. Donc, reconnaissez au moins les efforts qui sont en train d'être fait et les avancées. Parce qu'actuellement, nous avons pu adopter une loi pour créer un corps spécial de l'administration pénitentiaire qui comprendra des gardiens de prison spécialement formés pour ça, aussi des spécialistes au niveau de la santé, au niveau de la santé mentale, de la réinsertion pour nous mettre, c'est-à-dire au diapason des pays de la sous-région et du monde. Quand l'administration insiste pour dire que nous faisons des efforts, alors que les prisonniers disent que les efforts ne sont pas suffisants pour ce que la loi elle-même a prévu, je trouve qu'il faut approfondir la question. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que ces efforts soient concrétisés sur place Moi, je dis qu'il faut qu'on fasse la promotion des droits de l'homme au Niger d'abord, l'amélioration des conditions de vie dans les prisons, l'amélioration de l'accès des détenus à des services sanitaires, juridiques et sociaux de qualité, pas seulement un vœu pieux, comme je dis, j'insiste pour le dire, et le renforcement de la société civile nigérienne dans son rôle de défense et de promotion des droits humains. Pourquoi je dis cela Parce que nous, nous sommes les avocats. Nous, c'est les détenus qui nous parlent, mais la société civile va sur le terrain pour vérifier et confirmer ce que nos clients nous parce que très souvent, nos clients, quand ils nous, disent que nous sommes l'objet de tel traitement, de telles conditions de détention, si nous le déclinons devant un juge, on ne nous écoute pas. À partir du moment où on ne nous écoute pas, si la société civile n'est pas dotée de moyens de pouvoir aller constater sur le terrain et venir confirmer ce que nos clients et nous-mêmes nous disons, ça ne peut pas s'améliorer. Alors, euh, euh, Abdoulaye euh, Serfi, donc directeur de l'administration pénitentiaire, est-ce que cette direction prend en compte la réinsertion de cette détenus Évidemment, au fait, cela est pris en compte sous le plan et légal à travers la création d'une direction de la réinsertion. Nous voulons repenser de mettre en place des programmes de réinsertion pour pouvoir permettre aux détenus, une fois revenus dans la société, d'être utiles à la société. Mais force est de constater que cet aspect n'a pas été pris en charge, c'est-à-dire par l'État et de par le passé, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de moyens. Et généralement, c'est les ONG qui font des actions ponctuelles dans des prisons des programmes assez courts et à la fin des programmes, il n'y a pas un suivi. Quand la personne sort des prisons, même si elle, on ne peut pas le suivre, pour voir comment elle évolue. Donc, c'est pourquoi une plateforme des organisations intervenantes dans le cadre de la réinsertion a été mise en place l'année passée pour pouvoir voir qui fait quoi dans les prisons dans le cadre de la réinsertion en attendant que le programme, c'est-à-dire triennal, puisse être mis en place et faire l'appel au fond pour pouvoir implémenter ces programmes. D'ores et déjà, des ateliers ont été construit à Daikena, à Maradi et à Kolo dans le cadre du financement du PAGED pour préparer la réinsertion des détenus. Avec euh, la nouvelle loi portant au régime de l'administration pénitentiaire, il est prévu des fermes pénitentiaires et des chambres pénitentiaires, c'est-à-dire en fonction de la vocation de la localité où se situe la prison. Est-ce que le centre de d'Akoro fonctionne toujours Le centre de Dakoro est fonctionnel, c'est-à-dire il y a une vingtaine, à peu près 28 pensionnaires, mais il faut reconnaître que c'est les moyens qui font défaut sous cet aspect et c'est pourquoi la nouvelle réforme pénitentiaire va prendre cela en charge. Et c'est là et dans la vision de l'État, parce que depuis 2011, on a créé une direction de la réinsertion pour pouvoir prendre à bras le corps ces, ces volets. La réinsertion, le droit à la, réinsertion, c'est pour les condamnés. Oui, qu'est-ce qu'ils seront censés faire Par exemple, il y a la menuiserie bois, la menuiserie métallique, des ateliers ont été construits et vont être équipés à Maradi, à Daikaina et à Kolo. Et par la suite, on va essayer d'étendre ça c'est-à-dire à, d'autres maisons d'arrêt. J'ai dit, dans le cadre de la nouvelle loi, il y a des centres de production qui sont prévus, c'est-à-dire en fonction des potentialités de ces, localités. Alors, euh, Michael Zodi, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire euh, concrètement avec le constat que vous venez de faire, de ce jour que vous avez passé là-bas je pense bien que moi, il faut écarter l'effort de l'État. L'État n'est pas en train de fournir d'efforts. C'est-à-dire, quand on t'arrête, on considère que tu es un rejeton de la société. On t'emmène dans une cage, où les gens viennent te regarder comme au musée. Et aucune condition ne n'est réunie pour que moins tu puisses survivre. En dehors de ça, vous avez entendu, il a parlé d'idéaliser. Arrêter un dialysé et l'enfermer, l'amener en prison, c'est le condamner à mort. Aujourd'hui, c'est-à-dire on dépasse le cadre de la prison. Des gens ont été arrêtés. Personnellement, moi, j'ai été en prison. Euh, le juge m'a lavé. Et aujourd'hui, quelle est la réparation vis-à-vis de, ma détention Quelle est la réparation vis-à-vis de ceux qui ont passé 15 mois détenus Quelle est la réparation Parce que j'ai rencontré un détenu qui... Et, il a fait près de 7 ans avant qu'un juge d'instruction puisse l'appeler. Et puis, au finish, on le condamne 5 ans et les 2 années. Qui va le payer Qui est là pour. Donc, il n'y a même pas de décret. Je parle sous contrôle du maître ici. Il n'y a même pas de décret d'application par rapport à cette réparation. Donc il ne faudrait pas garder les gens euh, dans des conditions, je ne sais pas, inhumaines. Et, au finish, on dit que non, non, non, il n'y a rien. Pendant que ces, détenus sont, là-bas, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux mettre euh, Moukaila Yari Ce qu'il faut faire, il faut commencer, j'insiste là-dessus, à inverser la règle pour revenir à l'application de la loi, à savoir que la, la liberté doit, doit être la règle et la détention l'exception. Comme ça, j'ai pas fini, madame. J'ai 7 à 8 propositions à faire à l'État du Niger. L'administration de la sécurité pénitentiaire et de la réinsertion, elle doit le contrôle général des établissements pénitentiaires, surtout intensifier la formation à l'endroit du corps spécialisé de personnel pénitentiaire. Formation conséquente du personnel afin d'éviter certains abus dans les maisons d'arrêt. Et la formation continue des chefs des établissements pénitentiaires sur les normes nationales et internationales en matière de protection des détenus. La réhabilitation et la construction des établissements pénitentiaires conformément aux normes humanitaires. La dotation des établissements pénitentiaire en véhicule de corvée, matériel informatique et moins conventionnel de maintien de l'ordre, la prise en charge adéquate des malades et de leur alimentation, la construction des logements de fonction au chef des établissements pénitentiaires, la mise des détenus dans des conditions minimales de détention. Madame, si l'État œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des détenus, je crois que ce n'est plus la peine de venir dire nous savons que on peut faire telle chose, on, on, est en train de faire des efforts, on n'en a pas besoin. On a besoin d'actes concrets. Et ces actes concrets-là, c'est au quotidien. Fidèles auditeurs, c'est la fin de cette euh, émission. Nous étions donc en compagnie du euh, directeur euh, de l'administration pénitentiaire au ministère de la Justice, Sirfi Abdoulaye de Monkaila Yarié, avocat bâtonnier de l'Ordre des avocats du Niger, et de Michael Zodi, acteur de la société civile civil, défenseur des droits de l'homme et témoin car il a fait un séjour euh, dans une maison d'arrêt. Retenez que les prisons euh, nigériennes sont surpeuplées. Des efforts sont en train d'être faits par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie très difficiles de ces prisonniers.